un aéroport international AIBD, autour duquel nous avons des projets connexes, centre de maintenance, centre de formation aéronautique et ville aéroportière, allié à une compagnie aérienne Air Sénégal forte, avec des aéroports régionaux pour améliorer la connectivité intérieure du Sénégal, mais aussi connecter le Sénégal au reste du monde. Voilà les trois piliers sur lesquels repose notre politique de développement transport aérien au Sénégal. Le deuxième pilier du département, c'est le secteur touristique. Avec une ambition de faire du Sénégal une destination touristique de premier rang. Aujourd'hui, notre compatriote Aline Badretiam Aikon va investir sur un projet qui s'appelle Ville durable au niveau de, du site de Mbodjen. Mais à côté de la ville durable, il y aura également un village Aikon avec plus de 60, une soixantaine donc, de villas qui sera construite dans un délai d'un an. Ce partenariat que nous avons aujourd'hui avec Icon, à travers l'investissement, mais aussi à travers la promotion, notamment sur la destination Sénégal, puisque vous savez que Air Sénégal ouvrira la ligne sur les États-Unis et nous comptons justement nouer un partenariat avec Icon pour que la promotion de la destination Sénégal sur le marché américain et sur les Caraïbes puisse être faite par euh, cette euh, personnalité qui est quand même une référence sur le plan mondial et sur le plan de la promotion euh, touristique. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, c'est simplement la tradition d'une volonté, d'une volonté du chef de l'État de faire du Sénégal un hub aérien international, mais aussi une destination touristique de référence. Je gëm ci bëgg Sénégal la génération coming up younger generation doing what he can DJ will definitely def lu muy def this was a long time vision for me my vision for am pour Sénégal tabax fi benn city Boham the tourism tourisme and uh, support and also nekk ci benn uh, réew Sénégal more mën welcome yeneen réew yi ak monde bi suñ uh, history Ham Senbo, bopp ñu mën a Sénégal to mën a uh, in that process, I also like to thank the director of general CEO of Air Senegal for working so hard to make me proud. You know, dama fett dugg ci avion bi gis suñu avion mal comme Air Emirates <laughs> xam nga I moom kontaan naa si trop uh, mais ci sama série bi dama bëgg also thank something. parce que gars yi foofu dañoo liggéey dañoo liggéey guddi ak bëccëg pour jéem a euh, see to that xam nga um, suñu agreement bi happen quoi te léegi am naa fi benn agreement boo xam ne Sénégal dañ ma jox sama terrain pour ma mën a tabax sama city te city bi moom lu muy représenté mooy suñ génération nuñ gisee Afrique pour suba te dama bëgg. support mini def yëpp Sénégal pour monde mi to. ñu ñun tamit lu ñuy def pour monde bi and ultimately don't you encourage or encourage génération B? pour xam ne lu ñu bëgg a def fii rek ñu ngi fii dina ñu ngi seen ginnaaw nañ la supporter dañ mën na supporter ñun ñëpp dugg ci suñu bopp euh, euh, donate and, and and do what you can to make sure that these things happen